Euh, parce que médiateur pédagogique pédagogiques, nous été leen à l'ENEA école nationale d'économie appliquée ESEA e Mon école c'est Mamadou Dia qui l'avait mis en place en 1964 et l'objectif c'était de mettre en place une administration de développement parce que nous avons que pour nous développer mm. il faut partir de la à la base Nous avons développer ces initiatives là Nous avons moo l'ENA, e ENEA euh, am ay euh, départements xam euh, yii ñu ngi développement territorial mhm. Ils nekk euh, la formation euh, muy médiateur pédagogique et inspecteur d'animation mhm. donc nous nous nous former pour que nous puissions déjà concevoir piloter un programme programmes que ce soit dans l'éducation et la formation mais aussi ci ay pratiques d'ingénierie mais aussi dans pour les plans de développement territorial mhm. tey boo des plans de développement communal qui sont dans les départements ces médiateurs yi dañ ciy liggéey euh, dañuy aussi euh, sur le euh, plan qui dañuy conduire aussi des recherches actions au niveau au niveau au niveau au niveau communautaire dañuy accompagner aussi les politiques publiques l'évaluation évaluation des politiques publiques monèque nekk corps boo xam ne 4 ans de de formation au niveau de de l'ENEA 8 semestres là aussi li ci ëpp solo li ci gën innovant formation boobu noonu dem tous les deux premières années donc, ñëw rek commencé dans la théorie de lay sànni ci ci ci je m'excusant des terme employé dans le euh, nga dem ci commune euh, au niveau rural nga déjà il y def deux mois trois mois déjà mën a élaborer les politiques de développement au niveau du territoire liées avec les collectivités territoriales accompagnées dans l'élaboration des plans de développement communal mmh. yooyu da nga ko fay def sa première année ce deuxième année troisième année nga double stage d'immersion dans des ministères et dans des départements Les médiateurs aussi ils sont transversales ils sont dans presque dans tout parce planification ils planifient des programmes euh, de formation au niveau au niveau au niveau des ministères mais euh, acquis boo xam ne ñu ngi ils sont un peu perpillés dans le dans dans dans les différentes sphères. Limbi, bi ñaata euh, euh, exactement ñu ngi mais xam nañ ne nañ plus de plus de mille et quelques mais mais on est en train de travailler. comme 2017 1200 la voilà déjà. Il y a des formations continues, mais aussi il y a des formations initiales avec euh, les étudiants à partir du bac dañuy def euh, dugg formation initiale il y a la formation continue avec les professionnels. bo gisee médiateur da nga yaakaar ni comme ombudsman bu nek université la. <laughs> médiation lay def. ci médiation voilà da nga ah. japp ne yaa def médiation. parce que tay bo xolé ku mel Abdou Fall ancien ministre de la ah. santé. mi ngi woon ci suñu assemblée générale bi c'est un médiateur pédagogique loolu moy fonction loolu tay moko ko ba mu nek tay limu mu doon ba nek ministre ministre d'État parce que formation bi prédisposé à ce que mu manager que ça soit au niveau dans le développement local mais aussi à gérer un peu cette institution au niveau communautaire donc euh, Benen bi aussi médiateurs euh, euh, aujourd'hui on parle du référentiel euh, d'une vision 2050 Tay lu les médiateurs dans le cadre de leur formation sur le développement dans le cadre de formation pour accompagner le Québec, préparent, par exemple boo toutes les axes soit sur la bonne gouvernance sur l'inclusion sur le sur l'implication le capital humain dañu wara a liggéey pour développer loolu noonu nga dem ci sur le qui euh, économie l'axe là donc yop si bo jëlee médiateurs yi am nañ ci place pour xam ne mën nañ ko liggéey Bo sur les politiques publiques tey am na fu ñuy toll la dimension bi nga xam ne moom la dimension bi nga xam ne tey moom la référentiel bi ou bien tey euh, euh, programme yi fu muy toll tey dafa am ñoo xam ne tey ñoo ko war a jël mun a jël war naka lañ ko mun a wàccee au niveau de la base au niveau de la communauté naka lañ voilà naka lañ mun a jëlee li nga xam ne euh, dafa théorie trop dafa xam-xame trop bi nga xam ne ñun ñii les les intellectuels on di mais lool suñ ko buggee mu wàcc à la base tey ñooñu dafa am rôle boo xam ne moom la ñu war a mën a mën a def tay wax nako sank mu ngi wax ci affaire euh, formation au niveau de l'ACTU mais tay la pourtant y a un programme bo xam tay au niveau de l'enseignement professionnel dañuy wax ne bëgg nañ plus de 30 appel cent fam ñu dans la formation professionnelle mu ngi fi mais est-ce que parents bobu nonu xam na tey ne am na école yo xam ngi formé en en en qui euh, euh, tailleurs yi ñu di mmh. formé la mécanique dans les centres de formation ak yenen ak yenen amna mais est-ce que tay tout tout le monde a cette information mais je pense que tout ça mu nekk yi nga xam ne euh, médiateurs yi mën nañ ci jouer tey vraiment comme nous nga wax sànq assemblée générale bi qui yu fait am nañ madame Nancio mi ngi cour des comptes c'est médiateur pédagogie ak ñeneen ñi nga xam ne différents ministères yi. Mhm. def ci def ci bu am solo pour lolo mais comme nous avons wax rek mooy ñi nga xam ne ñi ngi mais en fait amaguñu visibilité. lolo loolu moo nekk taxawaayu amical bi nga xam ne dañ ko taxawal gis ne am nañu am nañ wàll boo xam ne war nañ ko mën a jouer dans le dans le développement donc ñu mën a xool nan lañ mën a def pour dajale ñëpp eh, pour mën a maintenant jub vraiment nekk ci defar la eh, rôle bi